71 891. Nombre de bulletins nuls, 26 326. Nombre de suffrages valablement exprimés, 3 623 633. Ont obtenu scrutin départemental, territoire national, région de Dakar, département de Dakar, sept sièges à pourvoir. Euh, PASTEF, les Patriotes, 22 222 675 voix. Donc, PASTEF remporte les 7 sièges de Dakar. Département de Guédiouaï, 2 sièges à pourvoir. Parti PASTEF, les Patriotes, 61 061, 61 voix. Donc, PASTEF remporte les deux sièges de Guédiouaï. Département de Pékin, 5 sièges. Euh, parti PASTEF, les Patriotes. 116 18. Donc, PASTEF remporte les 5 sièges du département de Pékin. Département de Kermassar, deux sièges, Parti passif les Patriotes, 72 719. Donc, Passif remporte les deux sièges. Rufisque, Parti passif Patriote, 85 280, remporte les deux sièges. Jobel département de Bambay, deux sièges à pourvoir, Parti passif les Patriotes, 37 057. passif remporte les deux sièges département de Durbel, Parti passif les Patriotes, 32 153 remporte les deux sièges. Département de Mbaké, 5 sièges, Parti passif les Patriotes, 128 028 remporte, donc le Parti passif remporte les 5 sièges. Département, région de Fatigue, département de Fatigue, Parti passif les Patriotes, 28 052 euh, euh, remporte les deux sièges. Département de Fundun, le parti PASSEF Les Patriotes, 31 850 remporte les deux sièges. Département de Gossas, un siège. Coalition La Marche des territoires Andounaoulé, 10 379 remporte le siège à Région de Kafrin, département de Mirkilan, Parti passif Les Patriotes, 15 967 voix remportent le siège. Catherine, deux sièges. Parti passif Les Patriotes, pour 26 655 voix, remportent les deux sièges. Kungal, département de Kungal, Parti passif Les Patriotes, pour 21 283 voix, remportent les deux sièges département de Malem Oda, parti Passif les Patriotes, pour 10 427 voix, remporte le siège. Guinguinéo, parti Passif les Patriotes, 16 364 remporte le siège. Département de Kaula, deux sièges à pouvoir, parti Passif les Patriotes, 66 818 remporte les deux sièges. Nyoro, deux sièges à pourvoir, Parti Passif, les Patriotes, 42 773 remporte les deux sièges. région de Kédougou, département de Kédougou, Parti Passif, les Patriotes, pour 10 143 voix, remporte le siège. Département de Salé Mata, un siège à pourvoir, Parti Passif, les Patriotes, pour 2700 2704 voix remporte le siège. Département de Saraya. Parti passif Les Patriotes, pour 5555 voix, remporte le siège. Région de Kolda. Département de Kolda. Parti passif Les Patriotes, pour 31 360 voix, remporte les deux sièges. Médina Yorofula. Parti passif des Patriotes pour 15 081 voix remporte les deux sièges. Département de Vélingera, deux sièges à pourvoir. Parti passif des Patriotes, 26 335 remporte les deux sièges. Région de Louga, département de Kébémer, parti passif des Patriotes, pour 39 375 voix, remporte les deux sièges. Département de Linger, deux sièges à pourvoir. Parti passif, les Patriotes, pour 29 292 voix, remporte les deux sièges. Louga, département de Louga donc, parti passif, les Patriotes, pour 44 287, remporte les deux sièges. Région de Matam, département de Canem, donc Canem, la coalition Taco Wallou Sénégal, pour 23 905 voix, remporte les deux sièges. Département de Matam, la coalition Taco Wallou Sénégal, pour 55 684 voix, remporte les deux sièges qui étaient à pourvoir. Ranero Ferlo. Un siège, la coalition Takouwa le Sénégal, pour 8289 voix, remporte le siège. Région de Saint-Louis, département de Tagana, le parti PASTEF Les Patriotes, pour 34 065 voix, remporte les deux sièges. Département de Podor, la coalition Djam Angeri, pour 41 349 voix, remporte les deux sièges. Département de Saint-Louis, le parti passé, les Patriotes, pour 54 250 voix, remporte les deux sièges. Région de Séjou, département de Bunkiling, parti passé, les Patriotes, pour 20 952 voix, remporte les deux sièges. Goudamp, Parti passif, les Patriotes, pour 24 927 voix, remporte les deux sièges. Département de Ségou, Parti passif, les Patriotes, pour 25 607, remporte les deux sièges. Région de Tambacounda, département de Bakel, Parti passif, les Patriotes, pour 11 euh, 636 voix, remporte les deux sièges. Département de Goudiri, la coalition Taco du Sénégal pour 10 516 voix remporte le siège. Département de Kumpentum, parti PASSEF Les Patriotes, pour 13 971 voix remporte les deux sièges. Département de Tambacounda, Parti Passif, les Patriotes, pour 26 078 voix, remporte les deux sièges. Nous sommes à la région de Caisse, le département de Le Parti Passif, les Patriotes, pour 101 122 voix, remporte les quatre sièges qui étaient à pourvoir. Département de Thiès, quatre sièges à pourvoir. Parti Passif, les Patriotes, pour 119 578 voix, remporte les quatre sièges département de Tiaon, le parti Passif des Patriotes, pour 81 199 voix, remporte les deux sièges. Région de Ziguinchor, département de Bignona, le parti Passif les Patriotes, pour 58 996 voix, remporte les deux sièges qui étaient à pouvoir. Département d'Oussouy, parti Passif les Patriotes, pour 11 262 voix, remporte le siège qui était à pourvoir. Département de Ziguinchor, deux sièges à pourvoir. Parti passif, les Patriotes, pour 45 810 voix, remporte les deux sièges. Maintenant, département de l'extérieur du Sénégal, donc Afrique du Nord. Un siège était à pourvoir. Parti passif, les Patriotes, pour 5 756 voix, remporte le siège. Afrique de l'Ouest, trois sièges à pourvoir. Parti les Patriotes, pour 8746 voix, remporte les trois sièges. Afrique du Centre, deux sièges à pourvoir. La coalition TACO Wallou-Sénégal, pour 4799 voix, remporte les deux sièges. Afrique australe, un siège qui était à pourvoir. Parti Pasteur, les Patriotes, pour 862 voix, remporte le siège. Europe de l'Ouest, du Centre et du Nord, trois sièges qui étaient à pourvoir Parti Pasteur, les Patriotes, pour 19 629 voix, remporte les trois sièges. Europe du Sud, trois sièges à pourvoir, Parti passif, les Patriotes, pour 31 734 voix, remporte les trois sièges. Amérique Océanie, un siège qui était à pourvoir. Parti passif, les Patriotes, pour 6 320 voix, 6 voix, remporte le siège. Asie Moyen-Orient, un siège qui était à pourvoir. Parti passive les Patriotes, pour 656 voix, remporte le siège. Nous passons maintenant au, scrutin proportionnel national. Hein? C'est bon Alors, le quotient national est de 68 370,433. Alors, entité, et entité, 19 373 pourcentage 0,53, n'a pas de voix. Coalition Sénégal-Kessé, 25 822 voix, 0,71 à une voix. À, un siège, oui, plutôt. À un siège. Coalition Natangé, 14 736, 0,41 n'a pas de siège. Entité Parti Union des groupes patriotiques, 6 467, 0,41. 18% n'a pas de siège. Coalition euh, coalition, troisième voie, Kirai Agnatangé. 26 775 voix, 0,74% à un siège. Coalition Haluyon, Niafé Dial, 86 050, 0,24 par siège. Parti Union Buntubi, Union citoyenne Buntubi, 5125 voix, 0,14%, 0 siège. Coalition Andre Colouté, Nguyen Sénégal, 21 391, 0,59%, 1 siège. Al-Sar, 16 521, 0,46%, 0 siège. Coalition Nafor Sénégal, 10 577, 0,29, 0 siège. Coalition Union nationale pour l'intégration, de travail et l'équité, 8511, 0,23, 0 siège. Entité SAMS GAFAKA, SAMS ELEP, 3824, 0 siège. Coalition WAREF, 5868, 0,16, 0 siège. Coalition Action, 10 150, 0,28, 0 siège. Union Natale Kaougi, 7274, 0,5%, 0 siège. Coalition Dundu, 9686, 0,27, 0 siège. Coalition La Marche des Territoires, Andou 47 636 voix, 1,31% obtient un siège. en nationaliste, 26 876 voix, 0,74% obtient un siège. Coalition Manco Liguel Sénégal, 11 733, 0,32, 0 siège. Coalition Dekal 16 446, 0,45%, 0 siège. André Liguel, 12 881. 0,36%, 0 siège. Parti ensemble pour le Sénégal. 16 482, 0,45%, 0 siège. Coalition Ande Bessel Sénégal. 20 765, 0,57 obtient un siège. Parti Garab ADS,

125 014 0 siège. Coalition Fédération du Renouveau 12 277 034 0 siège. Parti Alliance 5 5045 0,14% 0 siège. Parti Pastef les Patriotes 1 991 770 54,97% obtient 29 sièges. Alliance nationale pour la patrie, 11 535, 0,32%, 0 sièges. Coalition Farlo, 28 303, 0,78 obtient un siège. Andesokali, production, transport et commerce, 16 570, 0,46%, 0 siège entité secteur privé, 7415, 0,20%, 0 siège. Coalition Djam ak 330 865, 9,13% obtient 5 sièges. Coalition Sam 222 060, 6,13% obtient 3 sièges. Coalition Bestuniac, 19 923, 0,55 0 siège. Coalition Takoual du Sénégal 531 470 66 soit 14,57 obtient 8 sièges. Entité Grand Rassemblement Les Artisans du Sénégal 16 448 soit 0,45 0 siège. Coalition Sopi Sénégal 22 991, soit 0,63%, obtient un siège. En conséquence de tout ce qui précède, et conformément aux dispositions de l'article L 193 du Code électoral, la Commission déclare provisoirement élue Coalition Sénégal-Kessé proportionnel, Tierno Alassane Sall. Coalition Pôle alternant, Alternative, troisième voie, Pierre et Natangé, proportionnel, Birima Mangara. Coalition And Kolute Ngir Sénégal, AKS, proportionnel, Amadou Karim Sall. Coalition La Marche des Territoires, And Naoulé, proportionnel, Maguette Sen. Majoritaire, Département de Gossas, liste titulaire, Adama Diallo. Entité, les nationalistes, vieux Lignumum, Proportionnel, Papa Tahirou Coalition entre Bessal Sénégal, proportionnel, Abdoulaye Silla. Pastef les Patriotes proportionnel. Ousmane Sonko, Ben Faye, Saliou John, Marie Ange, Jelik Mam Selbe, Douf Alakan, Maïmouna Bousso, Oumar Sy, Ba, Abdoulaye Tal, Jacqueline Sanya, Mohamed Sal, Amidja, Muramani Kaba Jakite, Awa Sonko, Beatrice Fay, Germaine Tening, Omar Job, Awasek, Babakar, Valor, Marem Mbake, Mayab Mbay, Ndey Fatou Mané, Bara Ndiaye, Fatou Ngom, Ousmane Diouf, Fatou Ba, Assane Diop, Anta Banta Wage. ou Bintou Wagué Bante majoritaire département de Dakar liste titulaire Abbas Fall Dari